vendredi 30 juin 2023, dernier rendez-vous de la semaine et du mois. Chers auditeurs et auditrices, c'est le Niger sur Kalangou que vous écoutez en ce moment à travers nos radios partenaires et en streaming sur notre site internet www.studiokalangou.org. Je suis Samira Wafi et à mes côtés, Rukayetu Abdurrahman. Bonjour Ruki, comment tu vas Je vais super bien Mira. À la régie, la technique est assurée par Mustafa Yuba et Adam Adawaki et à l'édition. Alors, parle-nous du programme de ce vendredi. Ma chérie, dans cette édition, nous recevons comme invité M. Ibrahim Boubacar, président de l'ONG Godia Niger, une structure qui milite contre les accidents de la route. Avec lui, nous allons parler des actions de son ONG pour réduire les risques d'accidents et la gestion de ce mal qui fait des milliers de morts et de blessés sur les routes du pays. Et comme chaque vendredi, vous suivrez la revue de la presse. Pour l'écho des régions, nous ferons un tour dans la capitale des Koya, Dosso, pour découvrir la nouvelle activité des élèves en vacances, la cueillette et la vente des noix de Et comme d'habitude, il y aura la bonne musique nigérienne dans notre playlist. Restez câblés pour ne pas rater une miette du programme et c'est parti. Sans plus tarder, voici le flash d'information avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira, bonjour Rukaya, bonjour. cher chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, bienvenue dans ce flash. Pour sa seconde sortie des phases de poule de la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, le MENA Espoir du Niger a battu le mercredi 28 juin les Panthères Espoir du Gabon sur le score d'un but à zéro. Ainsi, le Niger se partage la tête du groupe avec l'Égypte au même nombre de points, soit 4 points, et une différence d'un but pour chacune des équipes. Le Niger retrouvera en troisième journée demain au stade de Rabat l'équipe malienne battue par les Pharaons, espoir d'Égypte, sur le score d'un but à zéro. La police de Kanché a arrêté cette semaine plusieurs bandes de criminels à Matamé, région de Zender. Ces malfrats appartiennent à trois réseaux spécialisés dans la fabrication de faux billets, le trafic international de drogue et les vols de téléphones portables. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les trafics illicite lancé par la police départementale de Kanché. À l'international, la troisième exposition économique et commerciale sino-africaine a débuté hier jeudi à Changsha en Chine. Cet événement vise à promouvoir davantage l'entrée de produits fabriqués en Afrique en Chine et à renforcer les liens commerciaux entre les deux parties, précise le texte relayé par l'ambassade de Chine au Niger. 53 pays africains et de multiples organisations internationales y participent à cette foire de 4 jours qui devrait faciliter les exportations africaines de produits agroalimentaires vers la Chine. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa. Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ce matin avec euh, M. Ibrahim Boubacar, président de l'ONG Godia Niger, une structure qui milite contre les accidents de la route. Bonjour M. Ibrahim Boubacar. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de vous donner la parole, je vous propose de suivre avec nous, M. Ibrahim, le titre Kayesi de Nyazongo. Aïssatou Dante, plus connue sous le nom de Nya Zongo ou reine des jeunes filles de Zongo depuis la création de la Samaria, le mouvement national de jeunesse créé au lendemain du coup d'État en 1974 par les fans du Niger avec à leur tête le lieutenant-colonel Seine Kounti. Dante, plus, plus que reine des jeunes filles de Zongo, elle est une cantatrice du quartier Zongo et compositrice de l'ensemble instrumental de Zongo avec lequel elle a remporté plusieurs prix au Festival national de la jeunesse. En 1977, à euh, Ottawa, elle présente Kayesi, chanson dédiée à la bonne fête aux Nigériens à l'occasion de la célébration du troisième anniversaire de la prise de pouvoir par les fans. Après avoir participé à plusieurs regroupements de formation des ensembles lyriques qui ont représenté le Niger au Festival des Arts Nègres à Dakar, à Alger et à Lagos, elle créa l'ensemble instrumental de Zongo avec lequel elle remporta les prix au Festival de Niamey en 1980 et 1980 toujours Elle représente le Niger au Festival mondial de la jeunesse en Corée du Nord en 1989. De sa troupe, plusieurs artistes ont émergé, comme l'artiste international Yakuba Moumouni Denkedenki. c'était la leçon Kayesi de Habsatou Dante. Après la pause musicale, chers auditeurs, revenons à notre invité du jour. Oui, Mira, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de M. Ibrahim Boubacar, président de l'ONG Godia Niger. Rebonjour, M. Boubacar. Oui, bonjour. Je suis sûr que nos auditeurs aimeraient bien connaître un peu plus cette ONG contre l'accident de la route. Exactement. Alors, parlez-nous euh, de votre ONG, Monsieur Ibrahim. Comment cette aventure a-t-elle commencé pour vous bonjour d'abord, et je vous remercie d'avoir de m'avoir invité. Et notre ONG s'appelle ONG Bouddha Niger. Donc, euh, nous intervenons dans l'amélioration des cadres de vie et des populations. Et nous développons les initiatives des femmes et à l'insertion et, à, l'insertion sociale. Et, nous faisons la promotion des droits de l'homme. Donc, euh, D'abord, euh, c'est suite à ça, donc, euh, nous avons eu à réaliser plusieurs activités. Est-ce que c'est suite à un constat, euh, surtout ici au niveau de la capitale, que vous avez décidé d'ouvrir dans tout ce qui est milité contre les accidents de la route qui sont souvent très fréquents ici Oui, bon, et ce qui nous a poussé à réaliser Bon, pour l'instant, cest nous avons euh, proposé un forum pour euh, la création d'une agence. Mais ce qui nous a poussé pour ça, mhm. avant ça, nous avons euh, fait des initiatives de désensablement des routes mhm. qui causent les accidents. Ça, c'était en 2017. Ça, c'était notre première phase d'abord mhm. pour éviter des accidents. Donc, mais après tout, nous avons constaté la fluidisation de la circulation routière et qui cause aussi beaucoup d'ennuis pour la mhm. population. Donc, euh, il y a un peu l'accès de vitesse. Donc, mais ce qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé, c'est que nous avons constaté les dégâts qu'a causé les accidents de la route. Mhm. Puisque le Niger est à 17% et d'accidents de circulation routière et qui fait que le, le Niger est en, tête de la communauté, des pays de la communauté de, euh, de, la de l'Afrique de l'Ouest mhm. sur les cas d'accidents. Donc, euh, on a eu probablement un décès de plus de 800 personnes par an. Mhm. Donc, euh, vous voyez ce que ça donne pour le Niger. Et pour la ville de Niamey, d'après une étude de la direction régionale de, les statistiques Et euh, donc, euh, ils ont eu à peu près 380 décès et, euh, en 2020. Mm-hmm. Donc, vous voyez, et ça, c'est les décès. Donc, si on prend, d'après les recherches que les statistiques ont fait, à Niamey, nous avons eu, en de 2016 à 2020, nous avons constaté et 24 634 accidents, mhm. donc causant 20 415 victimes, dont 6 029 blessés graves. Mhm. Et les décès sont eh, de 380 décès. Mhm. Et ça, c'est ce qui a été fait. Mais en réalité, ça doit dépasser ça. Et Monsieur Ibrahim, et quelles sont les différentes actions que vous menez pour réduire justement ces accidents Bon, maintenant, eh, nous sommes en train de prévoir un forum. Mhm. Et ce forum-là, c'est-à-dire c'est pour créer une agence de prévention des accidents et de prise en charge des personnes victimes d'accidents de la circulation routière. Donc, euh, ce forum-là, nous voulons l'organiser pour la mise en place d'une agence de prévention. Vous voyez, donc, euh, c'est mhm. suite à ça, et nous avons déjà élaboré quelques, nous avons déjà intervenu selon quelques partenaires. Mhm. Donc nous avons déjà leur avis. Par exemple, le syndicat des transporteurs. Euh, nous avons 31 syndicats de transport du Niger. Donc euh, nous avons déjà organisé une rencontre avec eux. et, ils soutiennent le projet. Donc, euh, il y a les associations des parents d'élèves qui soutiennent aussi le projet. Mhm. nous avons déjà pas mal de, structures qui sont en train de soutenir le projet du, forum pour la réalisation de cette agence. Donc, euh, nous prévoyons en tout cas, si tout va bien, et avec euh, nos partenaires qui interviennent déjà dans les accidents, par exemple le service concerné les assurances, et puis il y les agences de sécurité routière qui interviennent. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce que nous, nous allons les accompagner pour pouvoir mieux et, pour pouvoir en tout cas mieux résoudre le problème de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est un étouffement pour la population. Quand, vous serez, quand la personne fait un accident, il n'est pas automatiquement pris en charge. Mmh. Et vraiment, ça fait beaucoup de la peine aux, gens de, Niamey mhm. et à l'intérieur aussi du pays. Mhm. Ok, merci beaucoup, M. Bakar, Avant de continuer notre entretien dans un mhm. instant, encore une, marquons plutôt une pause avec la revue de la presse présentée par Mokhtar Amadou Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira Rouafi, bonjour Rouketou Abdraman. Bonjour Mokhtar. Alors Mokhtar, lancement du rapport mondial sur euh, euh, les drogues 2023, euh, des chiffres très alarmants sur la demande et la production et la consommation de la cocaïne et du cannabis dans la région, titre ASA, à une, une, plutôt une hebdomadaire Niger il ressort du rapport selon le journal, le trafic de drogue s'est avéré un défi énorme pour les États africains et le Niger en particulier. Un défi qui s'attelle de relever les agents de l'Octrice, l'Office central de, répression et du trafic illicite des stépifiants et les forces de défense et de sécurité nigériennes à travers des opérations de répression et de démantèlement des réseaux de trafic de drogue et qui ont conduit à d'importantes saisies, a indiqué le ministre de l'Intérieur Amadou Adamou Souley dans son discours à l'occasion de la cérémonie de lancement du rapport mondial sur les drogues 2023 par l'ONIDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. À titre illustratif, entre 2021 et 2023, c'est plus de 17 tonnes de résine de cannabis, près de 9 tonnes d'herbe de cannabis et 218 kilos de cocaïne. Maintenant, on va parler de Télécom. 16 millions d'abonnés mobiles et un chiffre d'affaires de 278 milliards de francs CFA en 2022 pour les quatre opérateurs du secteur, explique le journal La Ligne Actu Niger. D'après Actu Niger, selon le rapport pour l'exercice 2022 que vient de publier l'autorité de régulation de la communication électronique, et de la poste ARCEP, à la date du 31 décembre 2022, le secteur compte quatre opérateurs de réseaux mobiles dont des exploitent aussi des licences fixes, un opérateur détenteur de licences d'infrastructure et quatre fournisseurs d'accès Internet opérationnel. Selon le rapport, au cours de cet exercice, ces opérateurs totalisent un parc de 16 41 983 abonnés mobiles et 17 597 abonnés fixes de ces parcs, 9 297 352 abonnés mobiles utilisent le service data mobile alors que 32 575 lignes fixes sont raccordées à l'Internet. Malgré une hausse de, la pénétration mobile et de l'Internet mobile, le rapport a toutefois relevé quelques défaillances qui connaît le secteur avec un réseau saturé et une faiblesse des investisseurs sur un marché national dominé encore par Airtel Niger avec 44% des parts, suivi par Zamanicom avec 32%, Move Africa Niger avec 18% et Niger Telecom avec 6%. Alors Mokhtar, vers un accord de coopération militaire entre le Niger et la Hongrie, titre le site d'information de l'agence nigérienne de presse ANP. En effet, l'ANP nous apprend que le ministre nigérien de la Défense al kassum Indatou et son homologue hongrois ont signé ce projet d'accord le lundi 26 juin 2023 à Budapest, précise le service de la presse de la présidence. Ce partenariat concerne d'une part la coopération militaire, la formation, les infrastructures et d'autre part les équipements et le renforcement des capacités. Selon le ministre hongrois de la Défense, son pays est heureux de coopérer avec le Niger, l'un des pays les plus importants de la région du Sahel, dans le cadre d'un partenariat égalitaire. La Hongrie précise, apprécie hautement L'engagement du Niger en faveur de la stabilité et de la paix au Sahel, a-t-il précisé. C'est pourquoi elle attache une importance stratégique à la relation qui la lie au Niger. Pour le ministre nigérien de la Défense, les négociations qui ont marqué sa mission ont jeté les bases d'une coopération solide et durable. Région de Zender, plusieurs blessés par balles réelles suite à une altercation entre policiers et militaires, titre le journal en ligne L'événement. Selon le journal, une altercation a opposé dans la matinée du lundi 26 juin 2023 des policiers et des militaires au marché d'Olé de Zander. Le bilan de cette bagarre qui a donné lieu à des tirs à balles a fait trois blessés, notamment un militaire et deux personnes civiles. Au regard de cette situation, un conseil régional de sécurité a été convoqué et la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Il faut dire que cette bagarre entre policiers et militaires se joint à celle observée il y a quelques mois à Dosso et à Maradi. Au moment où le Niger fait face à une insécurité, ces genres de comportements constatés ne font qu'affaiblir les forces de défense et de sécurité et le jeu de forces obscures. Il urge pour la hiérarchie des deux corps de se réveiller pour bannir de telles attitudes, conclut le journal L'événement. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 30 juin 2023. Merci beaucoup, Mokhtar. Passe une très belle journée de vendredi. Poursuivons avec euh, notre invité, M. Ibrahim Boubacar. Euh, qu'est-ce que euh, vous pouvez nous dire par rapport aux accidents enregistrés cette année Déjà, l'année n'est pas finie, mais quand même, de janvier à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté et Bon, pour ça, nous n'avons pas eu le chiffre exact mhm. de la statistique parce que c'est la, statistique qui donne ces chiffres mhm. ceux qui font le nombre d'accidents par an. Mhm. Donc c'est ce qu'ils ont donné, euh, la, prévision qu'ils ont donnée euh, de, euh, de 2020 à 2022 que je vous ai donnée récemment. Mhm, mhm, Donc nous n'avons pas encore celle de 2023-2022. Alors, ah vas-y, vas-y, Rukaya. Et qu'est-ce que vous faites comme effort contre ces accidents Parce que l'agence n'est pas encore créée. Oui, ce que nous sommes en train de faire pour que on puisse réduire en tout cas où on puisse euh, prévoir. Donc nous, nous ne sommes pas en mesure présentement de faire réduire les accidents, mais nous sommes en train de faire tout possible pour faire la mise en place de cette agence-là. Puisque à travers cette agence, nous avons aussi la mise en place d'une carte technologique donc, euh, que nous prévoyons aussi. Donc cette carte, nous avons déjà fait des échantillons de la carte. Sur cette carte, il va y avoir un prélèvement de sang où nous allons euh, insérer le groupe sanguin de la personne. Donc à travers, en, cas d'accident, cette carte va, faire la, elle sera la, carte qui va de prise en charge des personnes victimes d'accident mhm. Donc euh, tout l'ingénieur a droit de faire cette carte d'après nos, nos, études que nous avons. Et, fait au niveau de l'ONG Goudia. Donc en fait, cette carte permettra à, à, à, toute une personne, en tout cas, d'être vraiment assurée en cas d'accident, qu'il soit transporteur ou qu'il soit piéton. Donc, euh, c'est une carte que tout le monde doit prendre, puisque non seulement elle a le, groupe sanguin qui est là déjà, donc en cas d'accident déjà, au niveau de l'hôpital, on n'a pas besoin de, de regarder il a quel genre de son. Déjà, tout ça là, c'est déjà fait. Mhm. Et comme déjà aussi, elle est là pour la prise en charge. Donc, dès qu'on vous voit avec cette carte, on sait automatiquement cette personne-là doit être prise en charge automatiquement par l'agence. Donc, à travers eh, ça aussi, nous, nous, sommes en train de tisser une relation avec eh, les sociétés d'assurance. Donc, ils ont un comité, les sociétés d'assurance. Donc, nous avons déjà adressé une lettre au comité des assureurs du Niger, donc pour pouvoir s'asseoir négocier, voir comment est-ce que nous allons entreprendre eh, un partenariat. Mhm. Dès qu'il y a un accidenté qui vient, nous, nous prenons eh, l'accidenté en charge. Mais après, eh, nous allons faire une passation, puisque c'est les papiers qui vont parler là-bas. Donc, nous allons faire une passation. Qu'est-ce que nous avons consommé à travers cette personne accidentée Donc, maintenant, c'est à la société d'assurance concernée mhm. qui doit nous reverser ce que nous avons consommé. Mhm. Mais pour les, puisque déjà pour les soins d'urgence, il y a la il y a une agence déjà qui s'occupe de ça. Mhm. Donc nous, nous allons intervenir, nous, nous serons l'intermédiaire entre la population et la société d'assurance et l'hôpital. Mhm. Donc euh, il y a à peu près deux hôpitaux que je peux dire qui sont en tout cas censés décharger euh, euh, des accidents pour, pour, la ville de Niamey récemment. Il y a l'hôpital national et il y a l'hôpital de la que nous savons. Bon, et référence, je ne sais pas si souvent on amène les VR. Bon, sinon, c'est les deux hôpitaux là quand même. On sait que à dès qu'il y a un accident dans les secteurs, ils sont les mieux concernés. Donc c'est avec eux aussi, nous allons faire tout possible pour tisser une relation de partenariat. Mais avant tout, il faut d'abord que le forum passe et que le gouvernement eh, adopte cette agence de prévention. Parce que l'agence, là, nous prévoyons beaucoup de choses dans l'agence. Parce que c'est une agence technologique. Ce n'est pas comme euh, les autres agences que nous. Cette agence-là, c'est une agence technologique et qui doit recruter beaucoup de jeunes. Non mhm. seulement il y a la création d'emplois et la population sera satisfaite, puisque nous prévoyons en tout cas créer un emploi de 794 jeunes. Mhm. Oui, oui. Donc euh, c'est pour cela, en tout cas, nous souhaitons avoir vraiment que cette agence soit sous la coupe du cabinet de la présidence. Mm. Est-ce que vous avez des problèmes qui freinent, euh, comment ce qu'on appelle la création, le processus de, création de cet agence Non, présentement, nous n'avons pas un problème et nous ne le souhaitons pas parce que dès lors que nous avons le soutien de tous les syndicats présentement mm-hmm. et nous souhaitons avoir aussi eh, l'avis des sociétés d'assurance par le comité. Donc c'est à travers ça nous nous sommes dit nous allons aller maintenant à la rencontre de l'État remontrer, bon, voilà le ministère concerné qui est le ministère des Transports. Donc maintenant, après, nous allons le dire, bon, voilà ce que nous avons constaté et voilà ce que nous prévoyons. Et nous souhaitons votre soutien, puisque déjà nous avons fait beaucoup, et nous avons fait déjà la moitié du travail. Mhm. Donc, et que vraiment nous souhaitons à ce que vous acceptez la mise en place de cette euh, agence, puisque vraiment les Nigériens attendent beaucoup de nous mhm. pour le problème des accidents. <laughs> oui. Merci beaucoup, euh, Monsieur Ibrahim Boubacar. Il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps est contournant. Merci à vous d'avoir euh, répondu présent à cette invitation ici au studio Kalangou. On vous souhaite de passer une excellente journée de vendredi. Merci beaucoup. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture. Exactement, Ruki. Euh, nous allons à la découverte de l'histoire d'un tambour sacré dénommé Toubal dont dispose la chefferie euh, de Dosson. C'est un instrument de musique qui symbolise cette chefferie traditionnelle légendaire. Le Toubal ne sort qu'à des occasions précises. Écoutons l'histoire du Toubal expliquée par Hassan Hinsabaro, conseiller au consulat. au consul suis-là au sultanat de Dosso. Il est au micro de Zainab Abdou. Il faut nous ifono ga ti tubal tubal wo dai i koitara tambur gere ni na se i wangari tamburo no kina se tambur gere ya dinga za za za za don dina kar nga te wangari tamburo afo tubal wo manki hauno ki katar watkulu tubal wo amana iguno sintina dai diga ba bonkoni didigi yakar da bonkoni bu igakar da jingar kipsi walme hau jingarin kaji moga igakar ke guwanta ki igakar kate an sare no gane alert an dai da wongu tuno lai foto igba kuran dan igakar borai margo tubal karyan ne ikulu a follon nu karyan follon kano zama nangu hinza no ikaryante sintina dai burakan ga kar ta kala wayin funai aga kar ke hinza da ban wani funai amka aza azawa kambe nor hmm? nodi nodimo amkar ke hinza da ban nodin ga amka dandi kambe usid nodimo amkar ke hinza ke go kulkin yake matkan yake tubalo kar da no amma di goga kar jasar fohim kabara bara kar ke hinza din jasara ga tu a gijin boreke ka ya kultunandi jasara banda igi kyaran sai mu kan tubalo din manki dangadai hare kuldumino har yangwara kan aiwo sindu fonde maki da aka te safarno da aka te talismano da aka te wura har bob gona ara kan bonkono hinno wanda fondo maki. tubal follon kano bonkone kulse bonkono kulu wanda ni kama tubal no za bonkono bu tubalo iga feri exam dan ka kortu Manki ki ga sayno abu iga kortu no yen bonkon ta gidan bonkon ta jomo ganga tubalo te tubalo te on kate hau hinka hau fo hau kire fo no dini wi a kura ni gada hau kira ima dankate tubalo bon hau biyo ima te korfai an sare ne laniyar kan ga tayoda halga ka hunkuna igi tubal kar bi fo bi hunkuna hal suba da dai zan tare gono iko tara gono igi tubalo kar amma fondo guadin gani igi tubalo kar Alors, euh, c'était euh, là euh, le reportage de Zainabou par rapport au Toubala de dessous. Faisons un tour en musique avec le titre Je vais t'aimer de Ali Masta. 1992 à Difa, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines au département littérature, et communication à l'université Abdoumouni de Niamey. L'artiste vient de Difa, comme vous l'avez euh, compris, une ville euh, au sud-est du Niger, ville qui depuis l'avènement euh, de Boko Haram en 2015 connaît une insécurité sociale. Actuellement, l'artiste évolue à l'étranger mais revient de temps en temps au pays. Je veux t'aimer de l'artiste Ali Masta. Passons à l'écho des régions Samira, mhm. qui nous emmène de la cité des Koi, toujours à Dosso, pour parler de AGR des vacanciers, si on peut l'appeler ainsi. Ah ouais, des filles et des femmes s'adonnent à Dosso en euh, cette période de pluie qui coïncide avec le début des vacances à la cueillette et à la vente des noix de Doum, une activité génératrice de revenus qui permet à ces jeunes filles et femmes de subvenir à leurs besoins. Le reportage est signé aussi Abdurrahman. Jadis pratiquée par les hommes pendant la période de cueillette des noix de Dôme, la vente de ces noix est aujourd'hui l'apanage des filles et des femmes à Dosso. Il est fréquent de voir dans les rues en cette période de saison de pluie des filles et des femmes s'adonner au traitement des noix de Dôme qu'elles revendent à des clients de passage et pour la plupart des enfants. Rukaya Boubakar, vendeuse de noix de Dôme au petit marché de Dosso, dit qu'elle vient de Berlin Gauré pour revendre ses noix. Elle déclare que c'est par nécessité qu'elle exerce ce commerce. hanfoyen dirka kam kolo zowo nera mot koy mata irga zongu hinza dirga yi mata irga zongu hinka dirka ka nera ba le masirse sandai maga Wayne chormo ora mo nirgo gorga nera son dir gorga nera wayni chormo ora hanfoyen ba churgu sai noru gabun diri a se dai nirgo gorga nera ayar mo kan girga mo tegisi irba bo mo tegisi son wai nay go diga lagay lagay gudu sabai kudu an kan nay nyangon wayin di zam son wallahi sandai no gono waro chada haya kul chada safuno mo chada Ramatoulaye Abubakar élève en classe de 4e dit qu'elle exerce ce commerce pour subvenir à ses besoins en cette période de grandes vacances ko sana'ar na birgin deni na ta muna sai da kuloji saboda mu sai kaya haka muna sai kuloji sak 7500 Jamila Ali, une consommatrice, apprécie le fruit de saison qu'elle consomme par passion. Beaucoup de petits commerces pratiqués autrefois par les hommes sont en train d'être exercés par les femmes à Dosso il résulte que c'est soit par nécessité ou pour vaincre l'oisiveté. Alors c'était là le reportage signé aussi Abdourahman qu'on nous signalait et en ligne. Allô aussi bonjour, bonjour. Bonjour, comment tu vas euh, Je vais bien et chez vous Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que euh, euh, s'habituer à ces activités génératrices de revenus ne va pas impacter sur la scolarité de ces jeunes filles après les vacances euh, généralement, euh, cela se fait, euh, il y a des années de cela, en tout cas, un peu, si on remonte un peu plus en arrière, les générations antérieures exerçaient ce commerce effectivement par euh, nécessité ou pour joindre euh, le deux Le plus souvent, effectivement, c'est pour vaincre euh, euh l'oisiveté les, les élèves des générations précédentes commercer. Euh, commerçait, elle, euh, euh, ce genre de petit commerce effectivement pendant les vacances pour pouvoir effectivement joindre le debout et vaincre l'oisiveté. cela ne peut à aucun moment impacter leur scolarité et au contraire, peut-être que cela leur permet effectivement de se préparer mieux pour la rentrée scolaire et surtout pour ceux qui sont issus d'une famille modeste. Merci beaucoup ah aussi. Euh, un clin d'œil à tous nos auditeurs euh, de la région de Dosso. Passe une très belle journée. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et maintenant, place au sport avec euh, Abdul Karim Gourouza Hassemi. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Sami. Bonjour Ruki. Bonjour. Alors, la Fédération nigérienne du sport pour personnes handicapées se prépare activement pour des compétitions internationales, n'est-ce pas ah Oui, en J, euh, déjà, c'est-à-dire dans quelques jours, la sélection nigérienne quittera Niamey pour les Jeux de la francophonie en RDC. Ensuite, en septembre, les représentants nigériens participeront aux premiers Jeux africains d'Accra au Ghana. Aruna Ousmane il est le président de la Fédération nigérienne du sport pour personnes handicapées, nous fait le point des préparatifs de nos ambassadeurs. Nous l'écoutons. Vraiment, ils sont leur état de est haut parce qu'on les a fait comprendre pourquoi ils ont été sélectionnés. Ce n'est pas pour venir jouer ou bien faire non, c'est pour aller représenter près de 22 millions du peuple nigérien sont derrière eux. Donc ça, ce n'est pas une petite affaire. Pour Accra, c'est en septembre. Gourouza, parmi nos athlètes, il y a Fatia n'est-ce pas Effectivement, elle va faire le déplacement de ces deux rencontres internationales. C'est une habituée des compétitions internationales. Elle est mère de famille et pratique euh, le sport depuis quelques années. Elle pratique presque toutes les disciplines. Euh, je l'ai rencontrée et elle m'a parlé de ce qu'elle fait par rapport aux préparatifs de son côté. Alors, euh, la On quatrième... Va On va l'écouter. Allons-y. C'est le sport qui m'a amené ici. Même les compétitions internationales auxquelles j'avais participé, c'est grâce au sport. Le premier sport que j'avais commencé, c'est le tricycle, au moment où je faisais la première année à Caritas. Nous partons faire les entraînements au stade. Petit à petit, je me suis entraîné au tennis de table, badminton, au basket, j'ai vélo et au lancer de poids je ne suis jamais partie à l'école, mais je fais la couture et plusieurs métiers manuels. Dieu merci, c'est dans le sport que j'ai tout eu, car le sport me plaît et c'est pour cette raison que je suis dedans. Il faut le rappeler également je suis dans ce sport, c'est grâce à une amie aussi qui s'appelle Khadija Amadou, qui chaque fois elle est au stade. Un jour, je l'ai accompagnée et depuis ce jour-là, le sport m'a plu et je le pratique. J'ai eu beaucoup de médailles sur le plan international. J'ai eu une médaille en Ouganda, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Nigeria et au Maroc. C'est seulement au Japon et en Turquie que je n'ai pas eu de médaille. Mais maintenant, je me prépare pour les Jeux d'Accra. Plaise à Dieu s'il nous amène en bonne santé. Voilà, c'était là euh, Fatih Amidou qui se prépare elle aussi de son côté activement. Voilà pour le sport. Merci beaucoup euh, pour cette euh, page sport. Passons à présent à notre portrait. Nous allons à la rencontre de Baré Mahamadou, âgé de 35 ans, natif du quartier Bukoki. Celui-ci a commencé à vendre des ustensiles de cuisine depuis 6 ans déjà. Un métier dans lequel il arrive à tirer son épingle du jeu, et ça chaque année à l'approche de la fête de Tabaski. Et notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre suivant leurs échanges. Euh, Chambunere, Yanda, Bundubundeu, da diya So za what follow ne go yo wesin. to go tomoka ina sinti de gati sonda i da gir iddu. Kan ai go go wara. Wo mu ai man ga ta alkul zama wo kulkan bar dude bar mu sabir koi. Wo ago te ken ken o ke. Insha Allah. Ifo sen ne go yo wasu ba. To, gore ya mu ya mu ne su ba. Zama kuna fisbillah da bar gono ago gore ya mu ya mu kalde fulana aino. fulana mu yakine bor borfo gin wow borfo fo mo gin san ya mon dior wa man tiya danga an ta kai go jen am tun gice ce ba de gabu pe gidan ga nirga sari irmo ram karim dur kena wana alhamdulillah ro dur kena na fa fo no no do ara to adu na fo bobo zama ai go ai go ge muradu en feri ai muradu mo kai go feri alhamdulillah zama zaman di dalulur foton borga fonda dabu inga bonse amantonum kanum bor ha sande fono ni duni ga yau wara to sande dai gati dai mai so yi zabu zabu kayan wodin gano amma so alhamdulillah mun kuno kai ma abu da ko sabu irgo du kai kai mu to ce yon fono ni da danga zanka furta je kan sin da goyi to wallahi ce yon kai gate sai ai ga bano irin manta ai nabo irin jiran kul zai na sai kan gono ai ga ba irkulurin irin mutaya fo irin su ba na irin nera irin mutum gir gadi irin eh, da nera dino da kai kano bar du bar bar mutum de yagin ga kai ken fo gaba ba su kul mine fulano wa gogora su gwe kulte ne diwa da sikka kabar ga mbono me tanke kute kute dun goyi ne ba mala dun go bar fo si dinin ganen se ha fulani ya kinna da me gaba be kan go tin tin halalo suba wani dungo gadi ni jeunesse dole no da borfori ni kokaro ba man taron fa amira borfo gan gidin kokari ne fulano wa gundu kokari ne ma ga sai da hayo amin gadin inga enterprise ora ta ga wako sai irma irmir gadi kom sala irmo irmu du ken kana wakil du hal ne ko gine zama sorno tilabu ya ga labo mo dine jeunesse asi gwa siga amanti C'était là le portrait euh, que notre reporter nous a proposé, euh, Omar Hama. Chers auditeurs et auditrices, faisons une autre balade, cette fois-ci avec le titre Contribution positive, une collaboration de Fatima Rico et King Noma. yanga suka bu kaninga ba fodi jama mena jama ma ba fodi ga une seule main ne se lave pas original qui no match understand pour éveiller les consciences so contribution positive pour un nouveau monde regarde ça elle hymne de paix bonheur et prospérité le son de l'humanité qui donne une énergie positive à toutes les communautés you know listen Ubala Madima, Ubala mandima, Ubala Madima, Ubala Madima, Dima, Safa Kanaso, Lala Tirabel, Melem, and the Arabella, she not also there, but they up to Jim, not tell us all, let's some of the test, can I no lament, my friends, the man, so for the inner one, the poor and new Vermont. Jim, no mercy, bomb, bomb. Loyalty. c'est maladie, pauvreté, ça détruit réalité, man. Injustice à à côté la misère, tu me nomme. Lié pour lié, non, mais ça menace, tu me nomme. Mon de serbe plein, non, mais ça bouleverse. Ouais, c'est pas du c'est pas du j'en ai pour amaran de ça. C'est pas du c'est pas du j'en ai pour amaran de ça. Maran de commune, pour invictor commune, ça maran de commune, pour invictor commune, ça. Ouvale, mon dimanche, ouvale, mon dimanche, ouvale, mon dimanche, ouvale. Alors après cette pause musicale, parlons PF maintenant. Il s'agit de planification familiale dans notre rubrique Loti. Le Loti du desk femme du studio Kalango porte aujourd'hui sur l'espacement des naissances. En effet, Mira, le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,1 enfants par femme en moyenne selon les Nations Unies. Pour bien espacer et limiter les naissances, le meilleur moyen est l'utilisation des méthodes contraceptives. On écoute Hawa Ousmane qui a sur ce sujet. Hey haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane don mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce uwarsu mamu ke ce uwarsu tubari kalla yi mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarun su nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Ah, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina ba ka ba da kodala. Hmm. in miji mijina bayar da ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me arziki to in mijinki bai yarda ba kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsai da haifewa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki don mijinki ya yarda. yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? sannan kuma irin mahimmanci ne an yako wannan basu da tsada ko kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kinga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke shakuruminki daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. Après ce lotier des femmes du studio Kalangu sur la planification familiale, passons à présent à la rubrique culture linguistique. Fidèles auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de consensus en français et en tamashek, une rediffusion de Al-Amin Ouachar. Bonjour. Il est fréquent d'entendre les mots consensus euh, dans les discussions à l'Assemblée nationale, au niveau des syndicats, aux différentes ou les différentes organisations. Il s'agit euh, de voter ou surtout des euh, derniers temps de chercher des paix et de cohésion sociale. Alors, le consensus n'est autre qu'une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objectifs et les abstentions. Pour plus de compréhension, nous pouvons dire que qu'un consensus caractérise l'existence parmi les membres d'un groupe d'un accord général tacité ou manifeste, positif et inanime pouvant permettre de prendre une décision ou d'agir ensemble sans vote préalable ou délibération particulière. Donc, en que consensus, yani, filbatu mada qarad kuul astaswadam daga ataken dawani tawinta ginen dagatil mukilan tana tatimosan assemblee idaganin sagawaran winiganin tqimin tamanasan ita wagu ard afiliti waga niminik atimosan niminak filart made batu dawirita waga wala wala يعني دزة تمت كالتنات أفلني من كنيتنا داور تلا اي ولا ولا ولا داغين ايديني قيمة وري ولا ولا دغا دي هو اللي ندا تمر تانا هذا موسى التمر تدغي تاوق ما منا كنا الأمة دن مد تافنا دغا قمينا الخير دغا دي داوان زنا باتو تا تموس طفر تصاهد في الجنة ويقالنا قمي نسن منك نيتي ندغر تيا دا أزي قلا نرد أدا غورزي توقمي أدي توق ولا ولا Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Avant le teaser, euh, c'était le mot du jour euh, consensus avec euh, Alamine Ouachar. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'exemple ou l'explication plutôt en anglais, en hausa, en zarman, tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. da farko studio kalangu godiya da suka kira na studio kalangu yau tana vraiment za mu ce studio wanda manya-manya wanda ni kamin ma in zo na da labaru abubuwan da suke ma artist da taimakon da suke kawo bisa rezo siyo waɗansu dalilin studio kalanguyo aka san su aka san kwanan tunda dukkan ba ka zo studio ba ba ka samun a san ka ko a san kai wane ne ko a san album kin ko mizikinka ka wane ne kai waye koya maka Assalamu alaikum da farko dai ni ne Musa Isa na Talatu Baban Kolo a nan Difa. Ina ɗaya daga cikin masu sauraren Studio Kalangu. Studio Kalangu abin da za ka iya cewa wanda za ka iya kwatanta Studio Kalangu da shi gaskiya ba abu ne ƙarami ba kuma ba abu ne wanda za ka iya cewa zai ƙare a yanzu ba. abu ne kawai sai dai ka takaita abin da ka iya sani don studio kalangu sai dai a ce Allah ya Allah kara musu hazaƙa da karhin gwiwa na farko studio kalangu abin da ya burge ni a cikin su musamman ma idan ka ji sun ce wannan wakilin su ne daga wani guri wanda labarin da zaka ji yana badawa labari ne wanda ya faru ba labari ne ba wanda shaci faɗi gaskiya nan ma ni na jinjina musu na biyun shi studio kalangu labaru su da kansu 'yan jaridunsu ba 'yan jaridu ne kame-kame ba 'yan jaridu ne wanda suka san aikinsu kuma suka iya zama da kowa a cikin rayuwar duniya kuma haka ake son aikin ɗan jarida dama ni dai abin da zan iya gai bisa studio kalangu sai dai in ce daga su da mu masu saurare da kuma manyansu ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka gidan radio na studio kalangu mutare basiru matashi a unguwar garmala mu gaskiya muna sauraron shirye-shirye na studio kalangu a kowane lokaci musamman ma da suke yin shirye-shirye a bisa halishi na har guda biyar to wannan bangaren ma mutum yana iya sanin halishi saboda in ka saurari da hausa da faransanci ala sauya shi da sauran halishina to gaskiya ma wannan abun ayaba ne kuma akwai shirye-shirye da suke irin wannan na haɗar a fada wannan shirin gaskiya mu yana ƙayatar da mu saboda musamman ma kwanan sun zo sun yi a cikin garin da magaran wanda aka halhaɗa matasa da ƙungiyoyi aka ɗauki maudu'i abin da ya shayi rayuwar matasa ina gaida abokaina irin su yahuza irin su ɗanbala da su Les bonnes choses sont toujours de courte durée. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rukayeto Abdurrahman et de moi-même, Samira Wafi La technique a été assurée par euh, Mustafa Ayouba et Adama Dawaki, notre chef d'édition. Ne ratez pas l'actu des jeunes tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h sur nos ondes de nos radios partenaires et aussi sur le site internet du studio groupe Passez un excellent week-end.